le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Studio Kalangou a pour thème le recours au groupe d'autodéfense est opportun dans un contexte d'insécurité au Sahel. Parmi les activités d'intérêt général propres à la puissance publique, la sécurité et la défense nationale sont les premiers domaines de l'expression de la souveraineté nationale. C'est pourquoi la plupart des États y consacrent des moyens importants afin d'assurer la sécurité du territoire, des personnes et des biens. En contrepartie, les citoyens payent l'impôt. Ainsi, une répartition des rôles était bien établie entre l'État et le citoyen. Le premier assurait la sécurité collective de tous au nom du contrat social accepté par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, la recrudescence de la criminalité dans les villes et villages crée chez le citoyen le sentiment d'abandon de la puissance publique de ces larges Dépend de ses prérogatives, d'où l'idée qui germe ça et là de la création des groupes d'autodéfense dans certains quartiers de Niamey communément appelés Yambanga. L'État peut-il continuer à assurer efficacement la sécurité des personnes et des biens Cette question est devenue lacinante pour les populations avec le sentiment d'inefficacité devant la montée des actes criminels. Doit-on passivement assister à une criminalité qui prend des proportions dramatiques. Avec euh, nos invités, nous allons faire un état de lieux de la situation sécuritaire dans les villes et villages du Niger, les forces, les faiblesses et les conséquences de l'usage des groupes d'autodéfense. Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Issaka Hassan Karanta, gouverneur de la région de Niamey. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs Nord Tilaberi. Boubacar Diallo, bonsoir. Et eh, bonsoir. Et Maman Kakatouda, responsable de la jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Maman Kakatouda, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Isaac Hassan Karanta, que peut-on dire de la situation sécuritaire dans la région de Niamey Monsieur Mokhtar, aussi bien à vous qu'à tous ceux qui nous écoutent, je dirais sans embâche que la situation sécuritaire et Niamey est sous contrôle. Non seulement je suis gouverneur de la région de Niamey, mais président du Conseil régional de sécurité. Donc, quand je dis que la situation sécuritaire est sous contrôle, je l'affirme haut et fort. ça veut dire, monsieur le gouverneur, qu'il y a point d'inquiétude. Il n'y a pas de péril en la demeure. Les réseaux sociaux distillent de l'intoxication. Des gens mal intentionnés également propagent des informations non fondées. Et je dis et je répète que la situation sécuritaire à Niamey est sous contrôle. Parce que nous avons un schéma de sécurisation de la ville de Niamey où toutes les forces en activité ont leur portion de terrain, qu'il s'agisse de l'armée, de la gendarmerie, de la garde, de la police et des renseignements généraux. Et je le dis, nous marchons la main dans la main. Et il nous arrive de faire des opérations coup de points mixte. Au lieu que X zone soit laissée à la police ou à la garde, nous prenons des éléments de tous les corps pour qu'ensemble, nous puissions manœuvrer et éviter justement des abus et éviter de tomber dans les erreurs. Qu'est-ce à dire Souvent, on vous dit que un tel et de tel groupe ethnique, il appartient au mouvement djihadiste. Et pour ce faire, les gens le stigmatisent, alors qu'il n'en est rien. Avant d'être gouverneur, j'ai été chargé de mission à la haute autorité à la consolidation de la paix. Diallo est là en face de moi, il le sait. Pendant six ans et demi, j'ai eu la responsabilité de la zone nord de Tilabiri. Et avec lui et nos autres collègues, nous avons entrepris des démarches au niveau de nos frères égarés, c'est-à-dire qui ont été entraînés dans le Moujao et compagnie qui ont accepté de déposer les armes pour revenir. Donc ce n'est pas pour autant qu'on va les traiter de Moujao. C'est des gens certainement qui sont partis à l'aventure, c'est des gens qui sont partis chercher fortune. Donc je dis, avant de répondre aux autres questions, que la situation sécuritaire de Niamey est entièrement sous contrôle. Monsieur le gouverneur, dans certains quartiers de Niamey, tels que Lazare, Kwaratagi, les populations font le plus souvent recours au service de Yambanga. Dans quel cas peut-on faire recours au groupe d'autodéfense communément appelé Yambanga Voilà, vous touchez du doigt la vraie problématique euh, sécuritaire. Ces quartiers n'ont pas le droit de faire recours au Yambanga parce qu'il n'y a pas de cadre légal. Il n'y a pas de cadre institutionnel. L'histoire de Yambanga remonte à une décennie et je précise que c'est à Zender qu'est née l'idée de Yambanga, où des jeunes d'un quartier se sont constitués en comité de vigilance, en comité de veille, pour parer à la dépravation des mœurs, pour parer à la consommation des stupéfiants, etc. etc. Et les présumés auteurs qu'il prenait étaient livrés à la police qui les prenait en charge. Ça a fait son chemin jusqu'à Niamey, à une certaine époque, où ça a tourné au vinaigre. Je le dis haut et fort pour avoir été deux fois maire de Niamey. Donc, dans Niamey, ces Yambanga se sont donnés des prérogatives qui ne leur revenaient pas. Sécuriser les quartiers il ne sécurisait pas les quartiers. C'est n'est pas une affaire de tous les citoyens, monsieur le gouverneur. J'arrive, la sécurité est l'affaire de tout le monde. Mais il y a des corps qui sont spécialement formés pour la sécurité des personnes, et de, leurs biens. Les Yambanga, au contraire, auraient pu, auraient dû jouer le rôle de comité de veille pour assister les chefs de quartier. Donc, c'est un mot qui ne me plaît pas, pour indiquer d'éventuels étrangers dans le quartier pour que le chef de quartier transmette à qui le droit, c'est-à-dire à la police, qui doit faire son rôle d'investigation pour mettre la main sur le ou les gars, procéder à la vérification d'identité pour savoir si c'est des gens qui étaient recherchés, si c'est des repris de justice, etc., etc., et faire la procédure. Mais j'ai dit qu'à Niamey, ça a tourné au vinaigre parce que les Yambanga molestaient les gens qu'ils prenaient et ils, ils, ont, même tué des gens ils n'ont pas le droit de se faire justice. monsieur le gouverneur, est-ce qu'on ne peut pas former ces gens, ces gens-là pour qu'ils veillent euh, au gré à la sécurité De toutes les façons, dans la capitale, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas indiqué. Et les pays qui l'ont testé, je le dis haut et fort ici, plus précisément le Mali, où il y a eu Gandakwe, il y a eu Gandaizo, c'est parce que les forces de défense et de sécurité étaient débordées. Et ces régions se sont senties abandonnées. Et les populations de ces, de ces régions se sont, ont senti la nécessité de se prendre en charge. Donc ils se sont constitués en groupes d'autodéfense. Mais ces groupes d'autodéfense étaient limités dans leur action. Parce que mal formés, mal instruits, et en fin de compte, c'est, il y a eu des règlements de compte, ce qui est déplorable. Donc je dis et je répète qu'à Niamey, pour l'instant, il n'est pas question d'autoriser un quelconque groupe, sous prétexte quelconque, de se former dans un quartier. Tout ce que les jeunes ou les jeunes d'un quartier peuvent faire, c'est ce que nous appelons la police de proximité. La police de proximité. C'est-à-dire collaborer avec les chefs de quartier, avec les forces de défense et de sécurité, qui sont formés et sur le plan militaire et sur le plan juridique pour mettre la main sur quelqu'un et faire la procédure légale. Boubacar Diallo, dans beaucoup de pays euh, de la sous-région, les groupes d'autodéfense euh, ont joué un rôle majeur dans la lutte contre l'insécurité, dans la plupart des cas, mais aussi euh, leur présence suscite aussi des inquiétudes, comme l'a dit Monsieur le gouverneur. Comment l'expliquer eh, Merci à Kalangou, merci à, Tonton aussi et puis à Kaka. Moi, quand j'entends le mot comité d'autodéfense, j'ai des frustrations. Parce que je suis milicien aussi on a géré. Mais s'il faut, si, c'est à refaire, en tout cas, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut autoriser des groupes de défense dans un pays, en tout cas, responsable. Pourquoi Et ils ont des limites. C'est dans des conditions où vraiment l'État n'existe plus, n'existe pas, qu'on peut recourir à ce genre de, situation. Et ils ont des limites parce que, avec le temps, vous allez voir que eh, des dérapages qui vont se produire le nord la et effectivement, l'État avait toléré une milice d'autodéfense qui a été créée en 1998, qui a été désarmée en 2011. Nous avons vu beaucoup de ratés et aussi ça a causé beaucoup de problèmes. Du coup, certes, c'était l'État avait toléré parce que nous, on ne comprenait pas pourquoi, mais l'État s'est désintéressé des zones et les gens ont pensé qu'il était nécessaire de le faire. Nous, on était là-dedans on l'avait géré, on avait des pouvoirs avec les, le parti malien. Et malheureusement, des, bandits se sont créés autour de ça, des voleurs se sont créés autour de ça. Vous avez des gens qui font l'autodéfense, mais de, à côté, vous avez des gens qui utilisent l'arme pour faire autre chose. oui. si les militaires ou bien les, forces de défense et de sécurité ne sont pas là pour protéger les populations dans les villages, qu'est-ce que les populations deviennent Non, c'est ce qu'on dit. Hein. Normalement, nous, au Niger, le Niger que je connais, on ne devrait pas tolérer des milices. Les gens, sait qu'ils l'ont fait, nous, on était là-dedans. Si c'est à refaire, vraiment, je ne ferai pas partie de ceux qui pensent qu'il faut le faire. Un État responsable doit créer toutes les conditions pour le faire. Et Feu Général Kunti n'avait pas les moyens que les gens ont aujourd'hui. Ils ont assuré la sécurité. Parce qu'il y avait une collaboration entre la population, les forces de défense et l'administration, et ça marchait. Ce n'est pas les moyens, c'est la volonté, c'est la cohabitation entre ces deux groupes. Malheureusement, c'est ce qui a manqué, qui a fait que on a laissé le terrain et finalement, on a vu la, milice d'autodéfense qui a été créée et qui aujourd'hui, qu'on avait désarmé en 2011, on avait souhaité à ce qu'il soit en tout cas réinséré dans la vie active. Malheureusement, et le gouvernement ne l'a pas fait. Aujourd'hui, c'est une grande partie de ces gens-là qui se sont retournés de l'autre côté de Moujao ce n'est pas au nom de la communauté qui sont là-bas. C'est des individus qu'on a abandonnés de la nature, que d'autres ont récupérés, qu'aujourd'hui, ils utilisent à d'autres fins. Donc, vous voyez où là, cette milice nous a amenés. Et après leur désarmement, ils ont été occupés je suis certain qu'aujourd'hui, le Nord Tilabini n'allait pas connaître ce que nous sommes en train de vivre. le Niger a été euh, toujours réticent depuis le début de la crise sécuritaire d'autoriser des groupes d'autodéfense. Euh, cette réticence est fondée selon vous Est très fondée. C'est ce que j'ai dit. Je suis un acteur, un ancien membre de ces milices-là. Et je remercie l'État de n'avoir pas accepté cette idée. Les gens l'ont germé. On a vu, les gens l'ont dit quelque part souterrainement. Les gens ont voulu que les, les communautés. Parce que le problème, c'est que quand vous prenez une communauté, son voisin qui est là va se sentir, en tout cas, en, insécurité. Parce qu'ils peuvent ne pas. Un bandit peut se lever un bon matin, s'attaquer à un autre ou un petit problème entre deux, deux personnes et ça va dégénérer. Nous savons les tensions qu'il y a au sein de nos communautés. Les gens sont ensemble. Avant, c'était les familles. Mais aujourd'hui, eh, cette suspicion existe au sein des communautés on fait semblant d'être ensemble, mais il y a vraiment beaucoup de suspicions. Donc, il suffit qu'il y ait un étincelle pour que ça dégénère. Et c'est ce que j'allais vous dire. En 2009, il y a eu un conflit, malheureusement. C'est dû à ça. C'était des problèmes parce qu'il y avait les armes qui circulaient. Un ennemi a posé un acte, c'est fini, et puis ça s'est dégénéré. Il a fallu difficilement pour qu'on le garde. Mais avant de l'arrêter, il y a eu plus de 68 morts. Vous voyez Et ça, c'est les conséquences des groupes d'autodéfense. C'est que les gens ont une, une mémoire courte quand j'entends certaines euh, autorités ou des, comment appelle, des députés, parce qu'une fois on dit que non, non, il faut créer des comités d'autodéfense ici ah à mais j'étais sidéré. On a vu les affaires de Kogologo qu'on a voulu faire à, Et comment non, ici à, dans la zone de euh, Toro. Parce que tout simplement le Burkina l'a fait, mais aujourd'hui c'est ce qui est en train de rattraper le Burkina de leçon. L'armée est là, vous autorisez des, des groupes, parce qu'on dit que c'est traditionnel, comme cette affaire de Yangamba. On les a poussés. Aujourd'hui, c'est ce qui a déclenché ce conflit communautaire. Et à Tauroud, c'était la même chose. C'est vrai, ils ont travaillé à un moment donné. Mais on a vu la limite. Boubacar Diallo, après un léger euh, reflux observé en 2018 dans le nord de Tilaberi, que vous connaissez euh, très parfaitement, les groupes armés non étatiques ont de nouveau gagné du terrain ces derniers mois, en dépit des opérations régulières menées par l'armée française et les armées nationales dans la région. L'État islamique dans le Grand Sahara contrôle une grande partie des zones rurales d'un immense territoire allant du Gossi à la forêt d'Assongon, en passant par le nord du Burkina Faso, le groupe fermé des écoles lève des impôts et rend la justice. Est-il encore possible de sécuriser cette vaste zone Très possible, s'il y a une volonté politique. Qu'est-ce que vous appelez volonté politique Volonté politique, je dis, nos anciens qui ont géré ce pays ont montré l'exemple comment il faut gérer un État et la sécurité. C'est très simple. Nous, on a eu la chance d'être, nos papas étaient des cadres de commandement. Il y avait une bonne collaboration entre l'administration, les forces de sécurité et les populations. Tout le monde participe à la sécurité. Tout le monde est agent de renseignement. Mais personne ne sait. Dans ta famille même, tu peux, la femme peut être un agent d'un sang que le mari ne soit au courant. Quand un étranger débarque, on sait qui est là. Quand quelqu'un bouge, on sait qui est là. C'est ce qui a manqué. C'est malheureusement ce qui manque ceux qui sont capables de faire la chose. cela, ça demande beaucoup de moyens. Mais quels moyens On n'a pas besoin de moyens. Le Niger n'a pas changé, n'a pas euh, euh, augmenté de kilomètres carrés. La population a augmenté. La population, avant, on n'avait même pas de population, mais on contrôlait. Aujourd'hui, on a les moyens et on ne contrôle pas parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Parce que les hommes qu'il faut à la place du faux, malheureusement, c'est ce qui a manqué. Et si aujourd'hui, cette cohabitation entre population civile, force de sécurité, cadre de commandement, il ne faut pas nommer n'importe qui cadre de commandement. Il faut nommer des gens qui ne sont pas la politique. Même si tu es politique, quand tu vas, tu vas au nom de la nation. Et faire en sorte que, surtout dans des situations où aujourd'hui les gens utilisent la stigmatisation pour diviser les gens. Vous avez une partie de votre population qui, est mise à l'écart, c'est un danger potentiel. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans le nord de Maman Kakatouda, face à la montée de l'insécurité, dans un de ses rapports de l'International Crisis Group, cette organisation estime que le recours à ces groupes d'autodéfense renforce les tensions intercommunautaires et menace d'embraser la région. Quelle est votre opinion à ce sujet? Euh, merci Mokhtar. Et je suis tout à fait d'accord avec ce rapport. Et même tout à l'heure, avant de venir, j'ai lu une petite partie du rapport de Crisis Group. Rappelez-vous, euh, en, 2000, en février 2019, hein, seulement au Nigeria, notamment à Maïdougri, euh, il y avait le ministre d'autodéfense. un groupe avait en tout cas tué un motard, un taxi, un conducteur de taxi-moto. À l'époque, il y avait plus de 2000 manifestants qui étaient sortis pour dénoncer les exactions que le groupe d'autodéfense euh, Parce que c'est des gens à qui on a donné des armes. C'est vrai, hein, il faut reconnaître que euh, ils ont consenti des sacrifices, ils ont peut-être aidé plus ou moins d'une manière ou d'une autre les forces armées à, à faire face à cette question d'insécurité, mais cela ne peut pas justifier qu'il se fasse justice parce que quand vous prenez euh, quelqu'un que vous supposez ou sur qui il y a une présomption peut-être d'être de connivence avec cette terroristes, je pense qu'il y a des autorités compétentes, je pense qu'il y a de euh, la justice, il suffit tout simplement de les remettre entre les autorités compétentes et que les autorités compétentes puissent l'écouter, le suivre jusqu'à la fin. S'il effectivement il a un lien avec ces gens, que justice se fasse. S'il n'y a aucune connexion entre ces gens, qu'il recouvre sa liberté. Mais malheureusement, euh, ces groupes de défense, parce que ce sont des gens qui ont, à qui on a fait recours dans une période où peut-être l'État euh, n'arrive pas à faire face à les... Vous savez, quand vous êtes souvent débordé, si on vous donne par exemple un bois qui a, qui a une braise, vous pouvez attraper comme on l'a dit. Donc, c'est face à vraiment peut-être l'inefficacité ou même l'insuffisance vraiment de votre défense et de ce à faire efficacement face à, à cette euh, crise sécuritaire que ces questions de milices d'autodéfense, des a à né mais c'est des gens malheureusement qui n'ont pas été formés dans le cadre du respect des droits humains, c'est des gens qui n'ont pas les notions élémentaires du respect des droits humains et ce sont des choses qui vont finir par rattraper vraiment l'État. Parce que l'État qui a plus ou moins accepté de les doter, en tout cas de, des armes, euh, qui a accepté de les laisser, même si l'État n'a pas mis à leur disposition des armes, le fait qu'on les laisse pensant qu'ils peuvent contribuer vraiment à, ramener la sécurité. In fine, c'est que cet État est responsable de toutes les exactions que, que ces gens vont poser. Mais dans tous les cas, ce que les forces régulières, ce que les forces armées qui ont suivi une formation de, des mois et de mois pendant des années n'ont pas pu faire face à cette insécurité, ce n'est pas quelqu'un qui a été pris comme ça de la maison, qui n'a subi aucune formation, qui ne connaît rien de, de maniement des armes, qui ne connaît rien de respect des droits humains, qui peut venir à bout. Moi, je suis de ceux qui euh, vraiment, ce n'est pas quelque chose à encourager. On doit tirer vraiment les leçons des autres pays. Le Cameroun a expérimenté ça, le Tchad a expérimenté, le Nigeria a, expérimenté, ça n'a pas marché. Mais Dieu merci, ici au Niger, quand il s'est agi de la crise sécuritaire de Boko Haram, vous avez vu dans la région de Difa à un certain moment vers monde on avait vu des gens qui, euh, qui avaient voulu prendre les armes, ou on a même vu à la télé et tout ça. Mais très vite, vraiment, le gouvernement a dit qu'on ne va pas quand même permettre aux à ces groupes de prendre des armes. Déjà, vous savez qu'il y a des gens qui sont armés. Alors, alors, alors, à ce niveau, comment faire puisque l'État ne peut pas euh, placer euh, euh, un soldat derrière chaque village ou bien chaque personne Mais écoutez, c'est quoi un État Je pense que la responsabilité première d'un État, c'est vraiment de créer toutes les conditions pour sécuriser l'ensemble du territoire de la République. Vous ne pouvez pas vous accrocher à un espace si vous ne pouvez même pas assurer le minimum. Moi, c'est là où je suis vraiment un peu euh, critique, Ce que je pense que si vous disiez que oui, voilà, le Mali c'est telle superficie, le Burkina c'est telle superficie, le Niger c'est telle, c'est idem même hein, pour tous les pays du Sahel. Si vous vous accrochez à, à maintenir cet espace faisant partie intégrante du territoire de votre pays, vous devrez être à même quand même de, de créer les conditions minimales de sécurité pour les populations. La sécurité est valable pour les villes, la sécurité est valable pour les communes, la sécurité est valable pour les hameaux. Jusqu'au périmètre près, en tout cas, le, territoire sur lequel les populations vivent, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions légales, y compris les dispositions nécessaires pour que les forces de défense et de sécurité puissent sécuriser. Là où l'armée peut se déployer, on peut déployer l'armée. Là où il n'y a pas l'armée, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la garde nationale. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse vraiment laisser la latitude à des personnes qui n'ont aucune formation vraiment de venir poser. Parce que ça va vous rattraper tôt ou tard. Parce qu'aujourd'hui, la question du respect des droits humains, ce sont des droits qui sont imprescriptibles, inaliénables. Même pendant des années, ça va vous rattraper. Vous avez accepter que les gens prennent les armes, eh bien, tout acte qui sera posé, parce qu'il y a des organisations de défense des droits humains qui suivent de près ce qui se passe. Je vous assure, ça va vous rattraper dans 10 ans, dans 20 ans. On va se faire sortir des rapports pour dire que dans telle, telle période, pendant tel, tel régime, pendant que telle ou telle autorité était dans le système, il y a eu des extracteurs. Et puis vous allez, est-ce que vous allez accepter, après avoir géré un pays, vous vous retrouvez peut-être de l'autre côté où souvent c'est des tribunaux, c'est des cours internationales euh, des droits humains ou en tout cas la cour internationale qui est derrière vous, que vous pourchasse parce que tout simplement vous avez laissé des individus prendre des armes et accepter. Je pense qu'on doit absolument tirer les leçons. On ne peut pas tomber dans les pièges. Là où le Nigeria n'a pas réussi, là où le Tchad n'a pas réussi, le Cameroun n'a pas réussi. Je pense que le Niger a bien fait de tirer cette leçon euh, au, niveau de la région de Difa et y compris au niveau de la région de, de Tilaberi. Il faut doter les forces de défense et de sécurité avec les moyens conséquents au besoin, il faut ouvrir pour que tous ceux qui sont, acceptent de partir puissent partir, et, mais suivre la formation normale et régulière, mais de là à dire que non, on est débordé ou face à ça, il faut qu'on donne les armes à des individus ou à des gens non formés, fût-il qu'ils soient, qu'ils soient des citoyens, fût-il, parce que le fait de dire que les citoyens vont protéger leur village, leur, mais c'est un abandon, c'est une démission de l'État. L'État doit assurer la sécurité, que ce soit au village, dans les villes, et c'est vraiment les forces, aux forces régulières. Parce que le fait de laisser croire aux gens qu'ils vont défendre leur communauté, qu'ils vont défendre leur région ou leur village, sous-entend que ils sont là qu'au service de leur or, L'armée est là pour défendre l'ensemble du territoire de la République et non juste une région donnée ou un contrat donné. Monsieur le gouverneur Isaka Hassan Karanta, quels sont aujourd'hui les défis à relever pour que les habitants de Niamey dorment tranquilles mais, M. Mokhtar, je l'ai dit, je le répète, avant même cette psychose d'insécurité rampante, il y avait ce qu'on appelle les patrouilles départementales, les patrouilles régionales, et entre ces deux patrouilles, il y a des faisceaux de connexion mixtes. Donc je dis et je répète que Niamey est effectivement sous contrôle H24. 24 heures sur 24 heures, nous veillons sur la sécurité des personnes et des biens de Niamey. Ça veut dire que les entrées et les sorties sont contrôlées Les entrées et les sorties sont entièrement contrôlées. Et même les bretelles par lesquelles on peut atterrir au centre-ville de Niamey sans être vu, nous les avons identifiées et nous avons mis des positionnements. Nous les surveillons. Et maintenant, il y a d'autres forces qui sont venues s'ajouter à nous, qui nous tiennent l'air. Donc on dit qui tient l'air, tient le bas. C'est pour vous dire que à Niamey, les gens peuvent dormir tranquillement. Les gens peuvent jaser, raconter leur bobard, mais je suis là pour le confirmer en tant que président du Conseil régional de sécurité. Monsieur le gouverneur, euh, les interdictions de, circulation à moto de jour comme de nuit, est-ce que cela pourrait venir ici à Niamey De toutes les façons, les régions dans lesquelles on a interdit la circulation des motos et même des véhicules, ça a commencé par Difa. C'est parce que les assaillants utilise ce mode opératoire. Donc, pour faire la distinction entre assaillants et assiégés, c'est pourquoi on a demandé aux habitants de sursoir à l'utilisation de ce mode de déplacement, pour que nous puissions tout de suite identifier les assaillants et leur régler leur compte. Donc, que les gens de la région de Tilaberi, dont je suis natif, prennent leur mal en patience. C'est dans leur intérêt, parce que dans la confusion, on peut abattre son propre frère en place et lieu de l'ennemi. Mais pour peu que les habitants de la région de Tirabéry acceptent de déposer les motos pour un temps, alors tout mouvement de moto que nous observerons par satellite ou par autre moyen, nous savons que c'est des ennemis, eh bien, on leur réglera, réglera le compte. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est pas facile, parce que c'est des moyens appropriés de déplacement pour les enseignants, pour les, infirmiers et pour même les commerçants. Mais quand il s'agit de la vie, chacun de nous n'a qu'une seule vie. Et quand on la perd, c'est tant pis. Monsieur le gouverneur, quel est le comportement euh, du citoyen à pareil moment, en cette période d'insécurité C'est un comportement responsable. C'est un comportement de veille. C'est un comportement de collaboration et non de suspicion. Donc, au lieu de dénigrer son État, au lieu de dénigrer les forces de défense et de sécurité, non, il vaut mieux aller vers ces forces de défense et de sécurité, leur apporter votre contribution, si minime soit-elle. Parce qu'en cette période, j'ai dit et je répète, que la sécurité n'est pas le seul apanage des autorités politiques ou des autorités administratives. Monsieur le, monsieur le gouverneur, est-ce que les citoyens sont sensibilisés dans ce sens Justement, justement, des séances de sensibilisation doivent être menées par les, les autorités administratives, les autorités coutumières et même vous, les médias. C'est à vous de relayer cette instance pour amener les uns et les autres à comprendre le bien fondé de la nécessité de participer à la sécurité et à la sécurisation des personnes et des biens. Et également, il faut rappeler aux uns et aux autres que l'État seul ne peut pas sécuriser tout le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Kaka, mon petit frère l'a dit tout à l'heure, l'État ne peut pas mettre un soldat derrière chaque village. Nous avons 1 267 000 kilomètres carrés de superficie. Nous avons neuf frontières et des frontières toutes poreuses, c'est-à-dire perméables. Donc, il faut que les gens aient un sursaut national, un sursaut patriotique pour avoir le réflexe de patriotisme et de citoyenneté, pour se prendre en charge ne serait-ce qu'en matière d'information des autorités coutumières, des autorités religieuses ou des, des autorités militaires. Pour qu'ensemble, la main dans la main, nous puissions faire face à cette situation. Maman Kakatouda, après la région de Difa, la décision portant interdiction de, circuler à moto de jour comme de nuit a été décrétée dans plusieurs départements des régions de Tilabiri et Tawa. Comment accompagner ces populations dont toutes les activités dépendent de l'utilisation euh, de ces motos euh, Merci une fois de plus, Mokhtar. Euh, voyez-vous, c'est vraiment une situation très malheureuse, hein, mais je pense que le gouvernement justifie par le fait que c'est vraiment pour faire face à l'insécurité. Tout à l'heure, le gouverneur l'a dit. Tout à fait. Je, je, c'est pourquoi le gouverneur fait partie vraiment du autorités. des autorités. Mm-hmm. Donc, euh, euh, vous savez, depuis 2015, quand il y a eu l'attaque du 6 février, la première attaque simultanée de Bosso et de Difa euh, le 6 février 2015, quatre jours après, le 10 février déjà, le gouvernement, en conseil des ministres, avait décrété ce qu'ils appellent euh, l'état d'urgence. C'est vraiment une mesure légale, constitutionnelle, qui existe euh, pour faire face à l'insécurité. Le gouvernement peut faire face à ça. Donc, à l'époque, vraiment, euh, pour le cas de la région de Difa, quand vous prenez, ce ne sont pas seulement les mesures d'interdiction de circulation de motos et de véhicules à, à, une certaine. D'abord, pour les motos, c'est sur toute l'étendue du, du territoire de la région de Difa depuis 2015, et les motos, c'est à partir les véhicules à partir de 20h. Bon, au début, c'était à partir de 19h, mais petit à petit, les mesures ont été allégées pour que ça soit. Mais à l'époque, on n'a pas pris de dispositions et c'était les critiques que nous, nous avions faites. Le gouvernement a tout à fait la latitude ou les mains libres pour prendre des dispositions, mais nous, ce que nous disons, quand vous prenez des dispositions, il faut accompagner par des alternatives. À l'époque, voyez-vous, à il a fallu en 2017 pour qu'on disent que non, désormais, les tricycles, les motos à trois roues sont autorisés. Donc, les gens avaient attendu pendant deux ans. Or, il y avait beaucoup de gens dont l'activité principale, c'est vraiment la circulation, euh, la, conduite de motos. Et quand vous prenez rien que pour la moto seulement, c'est-à-dire c'est toute la chaîne qui s'est écroulée. Parce qu'il y a des gens dont leur activité principale, c'est conduire les motos, faire les taximoutes. Il y a d'autres dont c'est vraiment, ils ont des boutiques où leur kiosque, c'est les pièces des échanges de motos. Il y a des gens même dont leur activité principale, c'est vraiment laver les motos, c'est avec ça ils se... Donc nous avons dit, c'est toute la chaîne qui, qui, qui avait vraiment pris le coup. Et c'est cette mesure qu'on est en train, qu'on a dupliqué un peu dans la région de Difa euh, dans la région de Tilaberi. Mais ce que nous, l'appel que nous lançons au gouvernement, c'est vraiment de prendre des dispositions pour que dans la ville de Tilaberi, par exemple, on peut laisser les tricycles circuler jusqu'à 20 heures comme dans les autres régions, jusqu'à 21 heures. Et ça peut permettre, en tout cas dans les centres urbains, à partir d'une certaine heure, ça devient contrôlable. Mais euh, quand vous prenez des dispositions et qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, par exemple, on peut mettre des bus interurbains à moindre frais. On peut dire que les bus là, c'est à 100 francs, par exemple. Ça, ce sont des mesures d'accompagnement. Quand vous les mettez, vous n'avez pas laissé abandonner les populations à leur sort. Donc, je pense que c'est des mesures comme ça qu'il faut faire. Et partout, on doit tirer les leçons de ce qui n'a pas marché à Difa, de ce qui n'a pas marché au Nigeria ou de ce qui n'a pas marché au Mali. On laisse ça derrière et on essaie d'innover. Je pense que j'ai vu les députés de la région de Tilaberi rencontraient le Premier ministre et j'ai écouté le Premier ministre qui disait qu'ils feront tout pour prendre des dispositions d'accompagnement. Nous allons attendre de voir quelles sont ces dispositions, ces dispositions d'accompagnement ou ces mesures d'accompagnement. Mais vraiment, il faut aller vite. Il ne faut pas trop asphyxier les gens. Déjà parce que, au nom du fait que les terroristes utilisent les motos pour venir attaquer les villes et qu'on empêche aux populations de circuler sur les motos, d'abord ça a un coût énorme, les, enseignants, c'est sur ça. Mais malheureusement, on ne fait pas on ne prend pas toutes les mesures pour empêcher à ces terroristes de circuler en moto parce que vous allez voir, ils vont venir toujours en moto pour attaquer. Mais qu'est-ce qu'on a On a asphyxié les populations en empêchant de circuler les motos pour faire face à cette insécurité, mais on n'a rien fait pour vraiment contrer ces terroristes. Mais c'est vraiment un appel que nous lançons. De la même façon dont on a pris les dispositions pour que les populations ne circulent pas sur les motos, créons les conditions armons nos forces de défense et de sécurité, prenons les dispositions et les mesures pour contrer ces terroristes à ne pas aussi circuler librement sur ce territoire. Sinon, ce sont des mesures vraiment prises juste contre les populations <coughs> et ça peut avoir vraiment des impacts négatifs à cela. Parce que s'ils vont continuer à venir attaquer sur les motos, ben les populations vont dire, ben, à nous on a empêché, mais on n'a rien fait pour empêcher euh, à ces terroristes. Je pense que le gouvernement est assez conscient par rapport à ça. Boubacar Diallo, une certaine accalmie est constatée dans le bassin du lac Tchad, mais dans le Liptako Goumba, on note une montée en puissance des groupes armés au point où le Burkina a adopté euh, le 23 janvier une loi euh, permettant aux citoyens volontaires de s'engager pour euh, la défense de la patrie. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose selon vous, sachant que dans ce même pays, euh, les CDR ont laissé des <clears throat> mauvais souvenirs pendant la révolution incarnée par feu Thomas Sankara. En tout cas, ceux qui ont pris cette décision n'ont pas été responsables. Je m'excuse. Parce qu'ils avaient Selon vous, c'est non, mais c'est, une décision. Non, c'est une mauvaise parce qu'ils ont utilisé les Kogologo avant ça. Et on a vu le résultat de le sou, le dégât que ça a causé entre les communautés encore nous, on pensait qu'ils ils allaient se rattraper avec la, parce que quand dans les réunions, ils disent la montée en puissance des armées. Vous avez fait venir des Occidentaux, vous êtes, il y a le G5 ça tout ça, ça ne suffit pas. Vous avez mis les moyens que vous avez coupé dans les rubriques. Selon vous, c'est un aveu Non, c'est un aveu, évidemment. Aujourd'hui, quand vous demandez au CEDER autant de. Qu'est-ce que c'est qui a fait chuter même Sankara C'était ça. les CEDER qui avaient voulu que c'était une milice à côté de l'armée. Si ça avait marché aujourd'hui, on sait dans quelles conditions le Burkina n'allait pas être dans cette situation. Donc moi, je pense que c'était une erreur. C'est une erreur qu'ils doivent rattraper et arrêter ça. S'ils vont recruter, ils n'ont qu'à recruter au sein de l'armée, envoyer et le former. Et c'est tout, c'est la meilleure solution. Mais moi, vraiment, je ne peux pas comprendre que des civils et des militaires se retrouvent ensemble, surtout les professionnels, parce que le mal des militaires, il ne veut pas qu'il y ait un coépouse. Oh, le coépouse des militaires, c'est les milices. Un vrai militaire n'accepte jamais un civil avec une arme. Quand un, militaire te dit que non, je suis d'accord, c'est que ce n'est pas un bon militaire, il n'a pas été formé. Lui, là, il faut le dégager. Un bon militaire n'accepte jamais un civil en arme à côté de lui. comment faire pour alléger les, souffrances des populations des régions de Tilaberi et d'Ifa Bon, alléger dans quel sens Oui, parce qu'il y a la décision d'interdiction de circulation des motos de jour comme de nuit. Ça, je crois qu'on doit être patient. Il y a une situation qui s'est imposée on doit être, comme l'a dit le tonton, je pense qu'on va attendre voir le vent de cette insécurité passer, parce qu'on ne peut rien faire. Les mesures d'accompagnement dont on pense, vu la situation en tout cas et de morosité économique qu'on a, il est difficile. On doit être patient, mais c'est la, euh, la volonté politique qui doit changer créons les conditions. La volonté politique doit changer dans quel sens dans, dans, le, dans le sens d'une bonne cohabitation entre population civile, force de sécurité et, cadre de commandement. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Le cadre de commandement qui est parti, tu es là en tant que politicien tu n'as rien à foutre avec. Rares sont les cadres de commandement qui réunissent les populations pour, pour échanger, pour avoir leur opinion. Beaucoup, ils sont là, même les villages, aller dans leurs villages, les villages environnants des Turcs, ils ne les connaissent pas. Quand tu poses la question, tu as combien de villages dans ton entité, ils ne savent pas. Mais vous ne pouvez pas garder des individus comme ça. n'est pas parce que ton parti t'a amené qu'il faut Parce que c'est eux qui doivent préparer la présence des forces de sécurité. Le renseignement, c'est à eux de savoir qui doit être un agent de renseignement. Tout le monde ne peut pas être agent de renseignement, vu surtout le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc, c'est au cadre de commandement de préparer ça. Tu as un bon terme avec ta population. Quand l'armée débarque, ils n'auront pas de problème. Mais quand vous laissez les militaires débarquer seuls, le cadre de commandement... le terrain n'est pas préparé. c'est pas préparé. C'est ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Je vous assure, c'est ça. Si on avait eu des cadres de commandement responsables qui ont préparé le terrain avant l'arrivée des forces de défense, il n'y aura pas ce, ce comportement, cette situation dans laquelle il se trouve. vous laissez des gens sans renseignement, sans rien, ils débarquent, ils vont faire la guerre avec qui Avec personne. C'est ça le mal. Monsieur le gouverneur Issa Hassan Karanta, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour un retour rapide de la paix, de la stabilité au Niger et à ses frontières De toutes les façons, ce que je dois dire en tant qu'autorité régionale, c'est la mort dans l'âme que le gouvernement a pris certaines décisions. Et ne pensez pas que le gouvernement s'est arrêté là. Des réflexions sont en train de se poursuivre pour, comme l'a dit tout à l'heure Kaka, pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement coercitives. Et le gouvernement est en train de réfléchir pour voir les voies et moyens, justement, d'arrêter l'hémorragie. En ce sens, sur le plan organisationnel des forces de défense et de sécurité, sur le déploiement ou le redéploiement de certaines unités dans certaines contrées. Ça, ça relève de la stratégie militaire je n'ai pas à en parler. Et sur le plan politique, le gouvernement a tendu la main à toutes les forces vives de la nation. Je voudrais dire clairement, aussi bien à l'opposition qu'à la société civile, pour que les gens se retrouvent, pour réfléchir ensemble et voir comment sauver les meubles. Maintenant, cela appartient de la disponibilité ou de la prédisposition des uns et des autres à accepter cette main tendue du gouvernement. On ne demande pas aux gens de venir entrer dans le gouvernement, on ne dit pas aux gens de renier leur parti politique pour X parti politique ou pour X leader, mais que les Nigériens, tous ensemble, autant au moment des prières, on regarde dans la même direction de l'Est, c'est-à-dire la Kaba, autant le gouvernement souhaite que tous les Nigériens se retrouvent autour d'une table pour s'asseoir, réfléchir et dégager les voies et moyens de sauver le pays. Sinon, nous aurons raté notre existence, sinon nous aurons compromis l'existence même de notre pays et compromis l'avenir des générations actuelles, parce qu'il ne faudrait pas parler de générations futures. Maman Kakatouda, vos propositions euh, de solutions rapidement Rapidement, euh, avant peut-être Mokhtar, permets-moi de faire les propositions rapidement par rapport à cette question vraiment des volontaires que vous avez euh, au Burkina. On les appelle des volontaires de défense de la patrie. Vous vous rappelez quand il y a eu en novembre dernier l'attaque de convoi de, la mine mm. d'or de Semafo, le président Rock avait fait euh, un message à la nation. C'était l'idée est partie de ce jour. Donc vous vous rappelez également le 21 janvier dernier, le Parlement avait voté une loi pour dire que c'est Mais en fait, tout ça là, ça montre quoi Ça montre un, c'est vraiment la défaillance de l'État, c'est l'inefficacité vraiment des forces de défense et de ce qu'a à faire à elle seule face à cette insécurité que le gouvernement. Mais maintenant, le problème qui se pose, mais quand on, prend ces gens, quel sera leur statut On parle des volontaires, on parle des Mbanga, on parle de ces blancs bonnets, bonnets blancs comme on les dit. C'est la même chose. Nous, nous sommes de ceux qui pensent Qu'il y a quelque chose, il faut doter les forces de défense et de sécurité, il faut les former. La solution, c'est vraiment de dire, ou les propositions, c'est de dire, vraiment, il faut mettre suffisamment de moyens. Et Dieu seul sait, aujourd'hui, le budget de l'État du Niger, vraiment, en termes de, sécurité, a vraiment augmenté, considérablement, augmenté. considérablement augmenté ces dernières. Mais les gens vont demander, mais pour quelle efficacité Et on parle aussi aujourd'hui d'une présomption, j'ai dit d'une présomption de détournement des fonds. Et je pense que ça si ça devient vraiment, si ça, ça s'avère, ces gens dont l'argent qui est destiné à la sécurité des populations, si cette enquête s'avère vraie, je pense que ces gens sont plus terroristes que les terroristes eux-mêmes. Vos propositions de solutions, Boubacar rapidement. Eh, rapidement, eh, il faut que cette stigmatisation-là s'arrête. Et tout le monde n'est pas terroriste. Quand un individu prend une arme, le voleur n'a jamais été assimilé à sa famille je pense que le terrorisme doit être assumé. Il faut qu'on arrête ce débat, que ce soit au niveau des politiciens, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, au niveau de la population. Ça, il faut le faire. De deux, il faut qu'il y ait une bonne cohabitation. L'armée aussi doit changer de comportement. Il faut qu'il devienne une armée républicaine. Quand vous partez sur le terrain, cohabitez avec tout le monde. Utilisez tout le monde. Les renseignements doivent venir de tout le monde. Et au cadre de commandement, il faut qu'on amène des cadres de commandement valables, qui ne sont pas politiques dans ces zones d'insécurité, on doit rapidement faire un remaniement, chasser tous ces gens-là, amener des gens responsables. Si on peut amener des militaires apolitiques, moi je suis pour que au niveau des régions qui sont sur les frontières, qu'on amène des militaires responsables qui ne sont pas politiques et qui vont être nationales aussi. Et enfin, moi je pense qu'il y a un mouvement qu'on appelle l'État islamique vous avez tout là-dedans. Si aujourd'hui l'État peut créer les conditions pour que nos compatriotes qui sont là-bas, qu'on les fasse sortir, ce serait une bonne chose. Moi, j'approuve à cette idée de, chercher à récupérer nos enfants qui sont dans, dans ce mouvement. Et donc, il y a des, hommes valables qui peuvent le faire. Ils, ils sont de la région, c'est les anciens, il faut les utiliser on ne peut pas faire, tout n'est pas de faire la guerre. Dialoguer avec nos compatriotes qui sont là-bas, S'ils sont partis par erreur, on peut créer les conditions pour les récupérer. Les menaces auxquelles le Niger et les autres pays du Sahel sont exposés sont bien connues pour assurer la sécurité du pays et contribuer à la sécurité commune. L'État a le devoir d'envisager une solution globale à la fois sécuritaire, administrative, économique et sociale. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Isaac Hassan Karanta, gouverneur de la région de Niamey, Boubacar Diallo, président du conseil des éleveurs Nord Tilaberi et Maman Kakatouda, responsable de la jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.